Ah, nous allons reprendre cette deuxième période entre l'Olympique d'Angor et la RSIOF. Pour l'instant, c'est l'Olympique d'Angor qui mène la marque à la 44e minute de jeu dès la première période. Waouh bal envoie une na pour Sow ballon pour Philly, qui s'appuie sur Ablaye Ablaye qui essaie de provoquer avec le demi-centre centre en retrait Et malheureusement pour nous personne ballon récupéré par l'Olympique de c'est le numéro 6 l'attaquant de pointe qui décroche beaucoup on décale sur le côté droit on s'appuie au milieu, numéro 15, le buteur. Ça décale de l'autre côté. On s'appuie sur l'attaquant de pointe, le numéro 6, qui décroche beaucoup. C'est un dégagement de Bala. Attention, il y a un Il y a une position de hors Laissant l'Olympique d'Angor essaie de repousser cette équipe de la RSF. Nous daf koy garder pour mu Aïkam, camp attaquer. attaqué mais nous qu'est-ce que ça va donner attention Mohamed il faut que tu assures hein, derrière attention. Heureusement, balle a suivi. Très longue balle de Ramos. Pour Ablaï. Ballon sorti en tous très vite. <coughs> Wow. Qui nga xamante ni moom Olympique de a euh, def na entame deuxième période bi ñu xool euh, ndax suñu équipe bi a réagir par rapport à score bi nga xam ne une touche. attaquant qui perd la balle, le numéro 6, euh, il y a une couverture de balle qui renvoie très longue, très longue. Il y a une faute euh, sur nous euh, Hussein et le capitaine. Ballon très vite joué. Ballon qui perd, qui rate son contrôle encore euh, une perte de balle pour Sarro, Mais heureusement, il y a une couverture de Hassan Ramos qui le met en touche. Waouh, défense, il y a beaucoup d'hésitation au niveau de la défense. Il y a beaucoup d'hésitation. Waouh, décision claire ou quoi C'est une touche, très longue touche dans la surface. Récupérée par As. C'est une contre-attaque. Mais la passe est mal ajustée. Récupération pour l'arrière gauche. Momonio Bossi qui récupère la balle, crée décalage pour le numéro 9. Il est dangereux, c'est un centre. Heureusement, il y a une faute. ñoom Bunker, à chaque fois taf dañuy ou dugg ci suñu défense parce que li waral lolou moy hésitation bi nga xam le la défense bi def ballon pour Mohamed très longue barre renvoyée par Amadi Gérard Tanka qui décroche mais qui récupère la balle qui passe dans le dos de la défense pour Ablaye Ablaye qui percute l'arbitre de ce il n'y rien du tout. Ballon récupéré par Gérard. Il s'appuie sur son attaquant. centre gauche, le numéro 9. C'est l'homme à surveiller. Ballon pour Gérard. Qui fait un grand pont pour son attaquant qui décale le numéro 20. Ça joue très bien. Ça joue très bien. en premier mi-temps c'est une combinaison Nous ñu ko côté gauche mais en deuxième mi-temps nous nañ ni dañ ko alterner fi nga moment où ne moom mooy suñu côté défense bi ça montre que ni ñoom joué sur les côtés ballon pour Saho il a du mal à dégager cette balle mais ballon toujours pour Saho Momoko. moo en touche. 57e minute de jeu ici à Alassane Djigo entre l'Olympique d'Angore et la RSUF, L'Olympique d'Angor qui mène par un but à 0. But marqué à la 44e minute de jeu. Dans la première période. Marqué par le numéro 15, le de ses milieux. Relayeur. Renvoyé par Mohamed. Là Gérard Moy euh, sécurisé la défense. Une tournée de peine de Gérard avec le 2 milieux récupéré ballon pour Gérard qui fait la passe en profondeur heureusement il y a une urgence. heureusement heureusement pour nous heureusement changement pour la c'est le numéro 11 Néné qui remplace Picasse un milieu récupérateur waaw noonu la ah. waaw temps bi maye ko waruñu toog di xaar automatiquement on sort au récupérateur waaw ñu xool composition bi na lay demee Sow normalement va glisser dans l'entrejeu nee na jël couloir gauche bi Les ñu avec 2000 mille relais Sow et As Ousin seen ginnaaw waaw ce qui est très normal hein à mon sens ce qui est très normal 57e minute de jeu Toujours, euh, c'est l'Olympique d'Angor qui mène par un but à zéro. Bi marqué à la première période. Il y a une forte mobilisation du côté de la RS C'est le premier de la partie, Feke moment pour la RSU waouh tout tëdd yaa ngi commencé bari ñi ngi gérer cette match hein. waouh tout tëdd yaa ngi commencé bari barrer, ngi gérer tranquillement presque une heure de jeu ici à Alassane Olympique d'Angor qui prépare son premier changement. Le 10 qui se prépare pour faire son entrée. Le allons les remplacer. waaw nous hein, comme nous de tranquillement nous nag ñoo war parce que essayer endormir euh, l'adversaire du jour, euh, la RS pour essayer de sauvegarder le score euh, qui est de 1 but à 0. Il y a un changement qui va sortir. C'est le numéro 10. Il remplace le numéro 20. ñu xool ndax postu par wala c'est un changement pour euh, mieux attaquer et faire le break ñu xool milieu le reem le le numéro 20 ñu xool euh, le numéro 10 euh, sa position fa taxaw une heure de jeu ici Alassane de Pigin. toujours euh, l'Olympique de qui mène 1 but à 0 Voilà pour Bala qui cherche Fili mais devancé très rapidement dans les airs il y a une faute l'arbitre estime qu'il a Avantage, attention, attention, le numéro 9, il est très dangereux. C'est un centre récupéré encore. Voilà. Heureusement pour nous. Heureusement. C'est l'homme à surveiller, le numéro 9. Il est trop, très percutant. Très percutant, le numéro 9. À chaque fois, Abouyere Balbi, il créer un danger dans les camp. Hassan Ramos qui si Sifili. Dans les airs, l'arbitre estime qu'il y a une faute. Waouh, forul ci loolu. Fort ci tu li man nga décrocher nga joko ci créer décalage wala espace en profondeur. mais dans les airs euh, sans am le de ñu xool cette faute. Très longue balle, son Ramos qui domine dans les airs. Deuxième ballon pour As. Il y a beaucoup de combativité qui décale sur le numéro 11. Numéro 15, le buteur qui perd son contrôle. Ballon pour Sou. Qu'est-ce qu'il va faire Il joue avec Nene. À chaque fois, il y a des waaw homme de couloir yi chaque fois bu ñu yoree dañuy delluwaat ci ginnaaw en profondeur couverture derrière pour Balla le gardien bi joué ak sa gardien simple c'est pas le moment ñu avons le numéro 10 gauche la arbitre bi anglais la waaw arbitre bi anglais la waaw dañ ko dugal pour mu garder bal bi créer des fot loolu lañ ko fi andi ah le numéro diis créer beaucoup de fautes waaw pour mu essayer ray rythme bi loolu lañ ko fi andee avec sa morceau bi bu ñu xoolee ki nga xam te ni moom mooy le numéro 10 bi physiquement du nit ku. du nit ku comme on dit mais techniquement ils savent garder la balle une touche pour Sarok. Ceux qui décale Philly, qui fait une remise mais raté ballon pour Sarok, qui essaie d'amener la percussion ce qui est normal hein. opposé de l'autre côté Bah ñu avantage bah il va ñu jouer nga ñëwaat si faute ah, mal négocié, As. C'est pas sa soirée, As. pourtant mon na fixé éliminé, adversaire direct créer décalage wala mu def euh, une passe euh, en profondeur mën na faut mais dafa pour me tey une touche euh, attaquant moo décroché jusqu'à sa zone pour permettre le bloc de remonter dans le c'est une équipe euh, très expérimentée hein. c'est à nous d'amener de amener la folie et l'engagement qu'il faut pour venir du dugg ci pièce suivons là-bas. Ça percute là-bas. Il est très dangereux. Très dangereux. 5 mètres 50. Voilà pour Mohamed. Tuel Mugawai. Tuel Mugaw. Fayer. Andel Fibalbi. Ah. waaw ay homme de couloir yoo xam ne à chaque fois bu ñuy jëli bal bi dañuy boot seen adversaire Donc, gaaw a dem si kanam tu dois être face au jeu pour demander la balle mais boot sa adversaire defe naa ni balaa ngay tourner du la may nga tourner waaw c'est ça notre gros problème là allez Ablaye toujours un but à zéro C'est une touche, encore le numéro 10, qui essaie de garder la balle, chercher la faute, qui n'a pas réussi à arbitre. C'est une touche. RSIOF, euh, bon, c'est deuxième changement, c'est le numéro, 6. Le numéro 6, Momo est remplacé As. Wow, as gën a yokkaat entraînement pour être performant il faut prêt physiquement c'est ça le haut niveau Suivant cette touche pour Pape qui joue avec Ablay, qui perd il doit musculer son jeu Ablay Samba voilà pour Bala qui joue avec Saho Waouh, de à l'intérieur dans quelle perte orienté contrôle orienté devant devant éliminer cet adversaire Retournez sur espace bi nous. éliminer perdu récupéré par le numéro 6 attaquant qui décale très rapidement le numéro 9 il y a des doublements. Defnoko, des doublements avec Defnoko centre pour pour numéro 4 attention ce centre qui traverse toute la surface du réparation il y a beaucoup de centres du côté de l'Olympique d'Angore. C'est le troisième euh, dans, ce, dans cette euh, deuxième période. Voilà récupéré par Sao qui fait le deux temps. Contrôle et renvoi. Encore à terre, à terre. Devant Sao, devant. Yo, Voilà, vas-y, Nene. Couverture derrière, encore. Waouh, gis nga Sao. forêt war bu mais on reste que 4 derrière te ñun qui fait le centre deuxième ballon c'est très important le numéro 6 ça cafouille hein, là-bas attention l'attaquant de pointe de l'Olympique de qui décroche beaucoup pour essayer de garder la balle permettant à son équipe de remonter un petit peu, petit peu ñu xool touche le numéro 10 heureusement le numéro 11 autant pour moi perte na bal bi dindi na ñaar ah oui y a une faute c'est ça hein faut emballer le match c'est le moment amener du rythme de l'intensité on a des hommes pour faire ça on a ces hommes-là. Jules Mougaou, deux temps pour que l'ADJ, centre le dans les airs renvoyé par la défense deuxième ballon récupéré par Gérard Pape qui décale pour Ablay. Jules simple voilà Il fii opposé fille. Il faut vous, faut Il faut Ah Musculez ton Dieu là Aïe Hey Attention, Waru Diallo attention Bien joué à Sandra Ramos dans le dans le dos de la défense il faut bal le grand gaillard le numéro 12 là Faut faut bi Il faut fili dina mën def dara ñu ah Heureusement, c'est une 2. 20 minutes de jeu. Ça reste 20 minutes de jeu. 70 minutes minute. Alassane Djigo. bloc d'affaires il faut nous préparer le bloc est très bas. On y préparer à aspirer adversaire bi ah faut préparer le déséquilibre Il que, a aspirer adversaire très longue balle couverture derrière pour Balla intelligent qui joue avec Ablay Samba Ablaye je vais joxe génnaat Nous dem Allez Nene, encore. Oui, oui. Il y a une faute. Troisième et dernier changement pour l'Olympique d'Angor. Troisième et dernier changement pour l'Olympique d'Angor. Waouh. Attaquant axial Il est très disponible décroche beaucoup. Je crois que c'est du poste par poste. Remplacé par le numéro 17. Par le numéro 17. Nous Qu'est-ce que ça va donner dans les airs C'est Pape qui domine. Deuxième ballon, le numéro 6 qui a fait une très bonne rentrée. So est très bas. Deuxième ballon, al -Jawai, contrôle B. Ah Soignez le contrôle B. faut soigner le contrôle. Mieux attaquer la balle. Nous encore, il y a du rythme. À terre, on le met à terre. On le met à terre. Encore. Jouer à terre, jouer à terre. Bien joué, Pape. C'est un centre. Il y a trois contre deux. C'est insuffisant. Deuxième ballon pour ça. C'est un tir. C'est bien. Hein. Au moment du centre, il y a trois contre deux. C'est insuffisant suffisant Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Très longue balle. Waouh. Attention. Waouh. Il y a beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Dans le défense, dans le sur la défense de la RS Beaucoup d'hésitation, beaucoup. Entre Hassan Ramos et le gardien, parfois Bala et le gardien. Nous numéro 18 qui décale sur le numéro 11, c'est un centre-tir. Finalement, 5 m 50. 15 minutes de jeu. Nous sommes dans le dernier quart d'heure. Troisième et dernier changement pour la RSIOF. Philippe Remplacé par le numéro 7. Euh, ah, ah. Nous encore Wa ablay mom Ablay, man Ablay. Ablay, Ablay, dal. ñu xol Ablay, do bi percussion Amna, éliminé 2. deux bien joué ablay. ñewal la balle, bi ñewal la balle. bi ñewal centré en retrait oh effort bi mu def il doit mieux s'appliquer. Il doit mieux s'appliquer. Il faut bien qu'il concrétiser mais c'est bien dans l'initiative c'est bien dans l'initiative c'est bien Éliminer les deux malheureusement le dernier geste l'a raté son dernier geste l'a raté Olympique de en touche. Exécuté par le numéro 4, déviation. Nouveau rentrant, le numéro 17. waaw léegi ont commencé à empêcher premier relance Ils ont ñi ngi kawe ont waaw bu ñu xoolee RSO fi Ils ont commencé à sauter ligne faute La ligne du milieu, ligne dit que sauter. Directement, on cherche les attaquants dans le dos de la défense adverse. Euh, ce qui est normal hein, parce que si Kawaii Aïda ou femme. Ce qui est normal, mais il faut nous réussir. moment sans nous défense. Il faut pas éliminer la défense adverse si le coup fatal. 17 minutes de jeu 73 e minute toujours l'Olympique de qui mène devant la RS un but à zéro très longue balle déviation de saut. deuxième ballon attaque attaquant bi décroché daw mon mo don pointé waaw couverture de balle là. gaynde le lion comme on dit ñu xol ñu xol tous pour Olympique de Ngor qui renvoie c'est une tête il y a des deuxième balles attention il n'y a pas d'urgence attention pour le numéro 11 Heureusement que ça a revenu. C'est un cornel. Cornel pour euh, Olympique d'Angor. Une c'est le nouveau rentrant le numéro 10 On m'a blessé Mais il y a un corner euh, qui se prépare à tirer à faveur de la en faveur de l'Olympique d'Angor ah Mohamed Dereta est sorti heureusement la défense euh, veille au grain attention sur pour le gardien Mohamed. Très longue balle, déviation. Nene encore qui percute la défense. Il y a le dernier rampant. Il y a un carton jaune minimum. Hein. Minimum. Minimum. C'est pas le dernier rampant. Il y avait une couverture derrière, c'est pas le dernier rampant. Ah, les moom defe Fait ni <coughs> y a un bon tireur un tireur un a Il y a yaa qui d'autre Il y a ou seulement devant le ballon. Sow lay doon mënoon nañu teg beneen pied gauche nag pour euh, déstabiliser un peu le gardien parce gardien bi xam na Sow joué na ak moom nawetaan waaw defe naa gauche ñëw na capitaine bi ñëw na. Ah, juste à côté. 10 minutes de jeu. Olympique d'Angor qui mène euh, par 1 but à 0. Wow entraîneur baa il def a ay consignes pour modifier un peu son système de jeu Ballon pour Ablaye qui est très rapide. Heureusement, heureusement. Malheureusement pour nous. Malheureusement. waaw gars yi ñu ngi nawetaan de waaw ñu ngi nawetaan de ñu ngi tëdd ah, di gérer seen match li moo yàq football bi ah lii moo yàq footballu senegal C'est ça, hein de gauche à droite reyta pour là. moo tax bu ñu génnee coupe d'Afrique dañuy paqueté ñu ñëwaat toog rek lépp état d'esprit là, quoi problème de comportement ñu xool xool qu'est-ce que ça va donner ñoom ñoom moom bi tëdd na Ça reste 8 minutes normalement. 8 minutes dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire euh, de cette partie entre l'Olympique d'Angor et la RS Le derby vous comme on dit. Pour l'instant, Olympique d'Angor, euh, j'ai remarché tranquillement le chef m'a dit poussé pour euh, revenir à la marque Et pour l'instant nous xool faute arbitre Allons pour balle très longue balle. Amadi dans les airs, Gérard comme on dit. En touche, effectué par Pape, l'arrière droit de la RSIOF. Attention. Beaucoup de pertes de balles. On se précipite du côté de la On doit s'appliquer sur les passes. Essayer de élaborer sur les côtés, chercher les dédoublements et les centres pour euh, déstabiliser ce bloc défensif qui est très compact. Albir estime qu'il y a une touche. Essayer de déstabiliser ce bloc il est très compact. Alors Purceau qui décroche beaucoup. Le numéro 6 qui fixe, qui joue dans l'entre. Alors, pour Ablaï. Centre-le. Centre-le. Ratanago. Récupéré. Attention. Jeunac, Pap. Pape Mougaou, gaaw tout dit. voilà ñu jóge arbitre bi angale Ablaye normalement si contrôle am rek dafa war a vitesse contrôle orienté tac déclenché ñu dem il ah. y a rien du tout Bail, bail, bi ñu dem bàyyi ñu dem Sakho bàyyi ñu dem bàyyi ñu dem ñu dem c'est le contrôle qui fait défaut. Chaque jour, c'est le contrôle qui fait défaut. Chaque jour, dans le dos de la défense, la défense il reculer d'un cran. Ablaï qui fixe à l'intérieur, qui provoque. Mon de l'autre côté, jeune morte, pour un centre. À chaque fois, vous piquez, c'est pied faible. À mon sens. TNUG Ramos TNUG Sarro, il Yarien, a rien n'y a rien il n'y a rien le bloc est sorti c'est le numéro 8 qui s'appuie sur son attaquant le nouveau rentrant il y a faute il y a faute Nené qui décroche qui décroche mais aucune solution aucune joue avec le numéro 6 derrière encore. On joue trop en retrait. On joue trop en retrait. Tac, contrôle orienté, Tac, contrôle orienté pour éliminer son adversaire du jour. Nous Ça reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Très longue balle. C'est un corner. C'est un corner. L'entraîneur, il est trop furieux, l'entraîneur de l'Olympique d'Angor, par la décision de l'arbitre. Saho, Lumdef, Talonard pour ce. Waouh, vous Boudougon, ce sera magique. Hein. n'a que 5 minutes, temps additionnel. Ce qui est normal. Hein. cinq minutes attention ron si biti mu soufflé ko mais si biir la daaneel ko il est trop dangereux très dangereux dafa dangereux voilà dafa dangereux de le numéro 9 waaw ñu xool Waouh. cinq minutes de temps additionnel ça reste deux minutes attention attention deuxième ballon qui perd par le numéro 11 qui provoque qui fixe qui provoque il est resté solide on défend debout allez-y allez-y devant devant provoque encore Waouh. Il est puissant. Encore. On aime ça. Très bien. On aime ça. Waouh. C'est ça. On de couloir, da ngay nangu de provoquer que sa adversaire par des courses Voilà pour ça. Nous xool ablay, ablay, ablay, applique-toi Fixe-le. Fixe-le. centré na ko réussir na ko ndànk sow artiste bi ah. au de son contrôle déséquilibré acawaay acawaay encore dans le de la défense attention Pape waaw bu ko may contrôler Balbi prise à deux la ñuy def faut moom chercher Nous ñu koy conserver ñu dans le dos de la défense attention attention attention c'est le deuxième but c'est le deuxième but à chaque fois le numéro 9 s'il euh, parvient à récupérer la balle dans notre zone, dans la zone de finition, il est très dangereux. 2-0 pour l'Olympique d'Angor. Waouh Il a ngi commencé un génn Et nous mais nous avons ni aussi tamit championnat Ça reste 22 matchs à jouer, y compris la coupe. Nous le numéro 9 c'est le moment ñu gagné mooy l'excentre gauche waaw suñuy excentré yi dañu waroon autant que autant que lui parce que non là, un homme de couloir da nga de couloir bi provoquer indi ay centre beaucoup de percussions devant ñu xol c'est un centre mais personne il n'y a que la défense Deuxième ballon, le numéro 6 qui essaie de percuter la défense de l'Olympique d'Angor. Ça joue encore. Essaie de sauver l'honneur. Eh bien, essaye de sauver l'honneur. Pourquoi pas Papa. Corner joué à deux. Ballon pour Ablaï. Deuxième ballon. Ballon pour Saho. Encore. Sortie de but. Nous xool ça reste deux minutes dans le temps additionnel. Dans les airs, Balla qui perd son duel. Deuxième pour Hassan Ramos. waaw dem defaruwaat rek waaw dem defaru mobilisation bi ñu am tey prochain match ñu am lu ko o ko gëm ko connais quoi parce que championnat ce c'est pas le départ qui compte c'est l'arrivée arrivée bi am importance au finish ñu ne kan mo raw c'est ça yàlla doon ñun waaw waaw waaw waaw waaw la défense en place. Il gère tranquillement. Toujours derrière, toujours derrière. Attention, il y a une faute. de C'est un derby. Il y a de l'engagement, mais dans le bon sens le bon sens. le numéro 7 euh, Khalil euh, a amené de la percussion ne manqué pour cette équipe euh, de l'ARS ça manque de la percussion devant un peu de centre peu de tir aussi par rapport à, euh, à l'Olympique de beaucoup de centre. l'ensemble euh, les deux périodes. Fin du match. L'Olympique d'Angore qui vient de prendre les trois points. Ici à Alassane Diego, Par 2 buts à 0. Les léegi nag à pour préparer yi parce que championnat comme on dit départ bi amul solo arrivée bi solo waaw di gërëm encore une fois ñëpp si déplacement bi ñi nga xam tane aussi ñu ngi sa kër ga di def ay ñaan pour équipe bi ñi ngi remercier ñëpp di massaw ñëpp encore une fois parce que outil di ñu gagné la moom dafa metti mais dañuy gëm ni euh, defarwaar rek moom moo ñu mën a andi euh, dara xewagul Euh, def nañ match bu baax malheureusement tey jii suñu ki nga xam ne moom mooy chance bi dafa féetewul suñu côté on se prépare pour les autres matchs waaw di lañ jox dig daje fii si Yoff Mbollo TV di leen wax ni sport bi moom du arrêté mukk merci beaucoup les